nga taxawaay li ko waral mooy <clears throat> dañu doon dox ay ay tànku ñaxtu jëmale ko ci euh, wàllu formation yi am ci école bi à travers euh, machines agricole ak production agricole ak euh, la CGA. loolu tax ñuy ñaxtu nag parce que boobaak léegi ñi ngay ñaxtu boo xoolee li si ëpp mooy professeurs yi dañoo manqué fii professeurs yi dañoo manqué et puis formation yi boo xoolee ni mu war a déroulé xam nga déroulé wu ko normal. loolu waral tax tey jii nu ñëw démb xam nga baare porte bi di ñaxtu tey bi nu ñëwee gis nañ ni euh, police ñëw na fi convoqué ñu dem commissariat waxtaan ak ñoom. bi ñu waxtaanee ak ñoom jox nañu ay terrain d'entente dégg nañ ko et puis dinañu lever mot d'ordre bi duggaat ci classe yi mais terewul dinañu topp topp topp topp plan d'action bi. waaw waaw naam am na lu si jot am parce que boo xoolee bi ñu waxtaanee ak ñun. wax nañu ñu tamit dégg nañ leen am nañ ci ñoom yaakaar waaye terewul du ñu bàyyi mais dinañu lever mot d'ordre bi ba ñu xam ni instant yii nii élèves yi dinañu dinañu ci classe yi waaye terewul danañu topp di di topp ba keroog ñi nga xam ba keroog ñu am yow yow gi li ñu bëgg. administration bi jot nañu waxtaan ak moom avant ñu koy déposer préavis de grève tontu wuñ ñu tontu wuñ ñu presque une semaine toog nañ ko di leen déglu ba voire deux semaines tontu wuñ ñu. motax buñu xëyé demb ci ci altiné bi ñu ñu def ñu sensibiliser élèves yi gënal leen ñom ñëpp ñu taxaw ci cour bi wax leen li ñuy ñaxtu wax leen suñu ay droit wax leen suñu ay bëgg-bëgg ak li nga xamanteni mo manké ci walu formation yi élèves yi ñoom ñu dégg ñu lool la la tax ñu xëy suba le mardi té porte bi à 8h wa parce que xam nga loolu buñ ko défulé Sénégal fi ku ne xamna na lépp lay ñaxtu bo bo bo ci bo ci woté wuy wun la li nga mën def rek may nga fexé xol yeen pexé nga mëna def pour pour jéem am sa

préfet gouverneur et cetera. kàddu gu mujj gi mooy combat bi jeexagul levé nañu moo d'ordre bi mais combat bi jeexagul te incha allahu taala dinañu déglu autorités yi si dëkk bi bàyyi leen xel dinañ ñu woo dinañ dem waxtaan ak ñoom bu fekkente ni li ñu bëgg ñoom defaluñ ni ko dinañ wàccaat si terrain bi te su boobaa lay gën a pire. mesures yi dinañ ko respecté parce que boo xoolee fii kenn ku ne yaa ngi takk sa masque te ba ñuy dem ci ci ci commissaire tamit kenn ku ne yaa ngi takk sa masque. bu ñuy ba démb si grève bi aussi kenn ko ne yaa ngi takk sa masque donc mesures yi ñu ngi koy respecté bu baax a baax a baax a baax non rassemblement bi li ko waral ñoom ñoo ko waral parce que ñu bind nañu préavis bi jox leen di leen déglu répondre ñu tontu wuñ ñu et pourtant ñun amical lañ yor ay étudiants lañu lu ñuy kaas lépp suñu droit la te lu si mënti am rek ñoom ñooy responsable donc bu rassemblement ame tey c'est grâce ak ñoom ñoom ñoo tax rassemblement am parce que si on dañ leen qu'on nu c'est une dañ leen négociation Dieu me fait satisfaire suñu besoin kon y a rassemblement bi du am ak rassemblement mi bon on est en mouvement depuis hier bon la raison simple qui nous a poussé à aller en mouvement est que on a constaté depuis que les étudiants ont commencé à faire cours ici une formation qui devait se disait à deux ans se fait à trois ans et aussi il manque euh, de professeurs notoires au niveau des formations euh, le manque d'équipement, par exemple, ceux qui font en agronomie n'ont pas un espace où pratiquer ceux qui théorisent en classe. Et aussi n'ont même pas un magasin où stocker aussi leur matériel. Bon, il y a aussi euh, les étudiants en maintenance de machinerie agricole, d'où leur formation doit s'alterner entre école et entreprise. Cela n'a jamais été eu lieu depuis que la formation a, démarré. Et nous sommes euh, en, promotion 7. Il y a aussi une formation de PEA, production d'équipements agricoles aussi. Il manque aussi euh, de professeurs. Donc euh, c'est tous ces problèmes-là qui nous ont poussés à aller en mouvement. Mais avant d'aller en mouvement, on avait déposé un préavis au niveau de l'administration. Il ne nous a pas convoqués ni considérés. Bon, la meilleure manière de nous faire entendre, il faut faire une manifestation. Comme ça, bon, il, il nous prendra au sérieux. Heureusement, quand on a bloqué hier la porte, Aujourd'hui, il nous a convoqués et on a discuté avec lui. Ils devront, ils devront le savoir, c'est l'objectif du mouvement. Euh, comme que hier, quand on a fait ici un arrêt de cours, la, police est venue, le commissaire nous a convoqués, on lui a répondu. Et tout à l'heure, euh, nos, présents, notre président et le secrétaire doivent euh, répondre le, préfet pour le souligner, euh, notre motif de, grève. une ils, là, ils devaient nous entendre. Dans les normes, c'est l'objectif de la grève. au niveau de la police, on peut dire qu'il y a une satisfaction, euh, pas de façon pratique, mais quand même idéologique. Parce qu'il nous a un peu rassurés. Bien vrai, il faut qu'on soit un peu prudent avec, les autorités. Il nous a rassuré qu'il va faire les, les démarches. Lui aussi, il fera de son effort pour que cela ne se reproduise plus pour que le devoir de tout un chacun soit respecté, et, y compris l'administration. Par exemple, le manque de professeurs. Il nous a dit qu'il faut, il faut de son mieux pour voir si c'est possible de convoquer les, professeurs d'université, de venir dispenser les cours ici. Euh, et aussi, euh, il va faire aussi, là où c'est comme s'arrête, et transmettre le dossier à ses supérieurs, tels que le gouverneur. Bon, étant donné que l'autorité nous a rassurés, euh, c'est notre, devoir de, suspendre le mouvement euh, jusqu'à jusqu'à nouvel ordre pour voir si vraiment il peut y avoir une amélioration. Si il y aura une amélioration et un changement visible envers tout le monde, bon, n'est pas la peine de continuer parce que c'est l'objectif. Mais s'il n'y a pas une satisfaction, euh, on, on, ne va pas, on va pas arrêter maintenant. Oui, d'après ce qu'on a constaté aujourd'hui, récolté comme information, comme une question de rassurance, demain, il, y aura, il y aura cours. Et, mais aussi, comme que Étant donné que nous savons tous la situation dont euh, le pays est actuellement avec le Covid-19, euh, les rassemblements sont, interdits. Euh, maintenant, on a décidé de, laisser les élèves entrer les salles faire cours. Et après, il y aura une délégation qui va passer sur les salles et informer les maîtres au courant pourquoi on a arrêté le mouvement.